L'actualité de la semaine a été marquée par une attaque d'hommes armés dans la région de Tilaberi. Des hommes armés avaient pris pour cible dans la nuit du 19 au 20 mai dernier le village d'Agay, département d'Ayoru, faisant 17 morts et un blessé grave. Selon des témoins, les assaillants, environ une trentaine, étaient arrivés sur des motos vers 19h alors que les habitants étaient à la mosquée. Le ministre de l'Intérieur et les autorités régionales se sont rendus sur place pour l'inhumation des corps. Autre actualité, c'est la réunion sur la sécurité qui s'est tenue le mercredi à Tilaberi, regroupant tous les décideurs et les députés nationaux ressortissants de la région pour répertorier les causes de cette insécurité et les solutionner. Autre information marquante de la semaine, c'est la toute première rencontre des membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI avec les partenaires aux élections qui a eu lieu ce mardi pour faire la situation sur les avancées de l'organisation des élections de 2021. Le jeudi, c'était le tour des partis politiques pour échanger avec eux des avancées enregistrées dans la mise en place du fichier biométrique. Enfin, ce sont avec les médias et la société civile que la CENI a clos la série de rencontres. La CENI les engage à accompagner le processus électoral et la mise en place d'un cadre d'innovation dynamique d'échange. À noter que les partis de l'opposition n'ont pas encore occupé leur siège au niveau de la plénière, absence que le chargé des élections du parti PNDS Taria a jugé incompréhensible. Cependant, le président de la CENI, Maître Issa Kassouna, a rassuré de sa détermination à conduire un processus électoral transparent et crédible. Les candidats au Hajj 2018 pourront s'inscrire jusqu'au 20 juin prochain. C'est la nouvelle date limite qui a été fixée par le commissariat à l'organisation du Hajj et de la Oumra Koho pour clore les inscriptions de cette édition. Selon le responsable de la communication du Koho, cette prorogation est la suite logique d'une correspondance adressée aux autorités saoudiennes pour le commissariat à l'organisation du Hajj et la Oumra qui a eu un écho favorable.